man sama ça a été une volonté populaire d'abord je me rappelle je me rappelle je me rappelle il y avait des Facebook qui ont été créés j'avais je me rappelle d'un engouement populaire euh, où les gens œuvraient pour dire que pour que Aliou Cissé soit l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mais Lolo, je ne l'ai pas oublié. Et justement, votre changement de, de, de, comportement par la suite qui m'a inquiété. Je n'ai pas compris. Yann, vous travaillez pour que je sois l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je vois que Noumoutoudou, c'est un engouement en réalité populaire. Tu comprends Pour que Aliou Cissé soit l'entraîneur de l'équipe nationale. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il qu'est-ce qui m'a mais man lolou la comprendre ñoo xam ne ñoo bama nek ah, mes ennemis mes ennemis pardon. y'a ngi comprendre critiquer bëgg-bëgg ci équipe bi jamono mais lu ngay tabax kay ya ngi comprendre bu paré wul ba mu ngi comprendre man doon ko magique xam ngi bâton magique am donc tambour boutamite, fédération mais tout en atteignant des objectifs voilà parce que que deux ans parce que pendant des années et des années nos entraîneurs nos sélectionneurs c'est deux ans nous viré le. mais mais en deux ans comment on peut construire une équipe en deux ans Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible donc Lolo c'était important avec Augustin Senghor nous que man je voulais signer 4 ans et c'est ce que la fédération avec Augustin Senghor ont accepté mon premier contrat avec l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui je peux en parler c'est 4 années ça n'a jamais été 2 ans ça a été 4 ans mais sur ces 4 ans là il y avait des objectifs à atteindre et je peux te dire que Taï, objectif beau, moi 2017 Yobo équipe B quart de finale moi, dem coupe du monde 2018 début de dem 2018 l'objectif c'était 2018 nous nous tudd qualification après 2019 objectif bi yobu équipe finale 2022 l'objectif est du gagner dem finale quoi. 2022 moi donne aussi encore qualifié équipe bi coupe du monde dama avons nu là 7 années te signé Objectif, objectifié nañ groupe bi atteindre nañ te nous voilà donc ça veut dire que nous ci euh, parfait wul ay match contre Cameroun 2017 ça nous est resté encore là parce que nous avons yaakaar ni que ñun ñoo mais gagné wuñu ko mais mën naa wax ni ko mënul mënul won nek échec lutax mënul won nek échec parce que ci équipe bo xamné ça faisait plus de 10 ans équivalent de 3 trois CAN ñu génn premier tour ñu génn tour dem ñu euh, mu euh, quart de finale mën naa wax ni que franchement objectif pour atteindre nañ ko mais quand on est revenu ici tu as vu le bois qu'il y a eu il y a des groupes pour wax ni que luñu def baaxul suñu compétition bi baaxul dañu waroon gagner coupe bi et cetera et donc frustration bi mais que on a continué à travailler et que tey mën naa wax ni que euh, c'est parce que temps moo ko may dal moo ñu ko may ay dégg liggéey moo ñu ko may la confiance bi nga tamit